Mardi 5 septembre 2023, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Fanta Chamsou et ce matin, je suis en compagnie de Ali Moukela Ousseini, le grand Seno 50%. À la technique, c'est Abdelkader Chombiano et l'édition est assurée par Kadija Isaka et Adama Dawaki. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien Fanta et toi, ça va Ça va aussi, Alhamdulillah. Super alors, t'as quoi pour nous ce matin Comme toutes ces noms, l'émission sera bien garnie du flèche d'informations pour commencer une rubrique santé qui nous amènera à Arlit, dans la région d'Agadez, de la culture linguistique, du loti avec le desk femme du studio Kalangu en passant par la page sport, le portrait et bien sûr une bonne dose de musique 100% nigérienne. Et oui, comme invité, nous recevons Abdelkader Sherif. Il est le directeur général de l'entreprise Kawari Studio spécialisée dans le domaine de la production audiovisuelle. Il est également animateur de et illustrateur en images. Avec lui, nous parlerons de l'animation dédiée. vous êtes branchés sur l'émission Le Niger sur Kalangu et nous commençons tout de suite avec le flash d'information présenté ce matin par Nafisa Adamou Sirfou. Bonjour Nafisa. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Ali Laminzen était hier devant la presse nationale et internationale. Plusieurs points ont été abordés. Le Premier ministre de relever que le Niger totalise un endettement de 5,25 milliards de francs CFA. Détaillant la situation de la dette du pays, Ali Mohamed Laminzen a souligné que le Niger comptabilise 3,3200 milliards de dettes extérieures aujourd'hui alors qu'elle était de moins de 300 milliards de francs CFA en 2010. Quant à la dette interne, explique-t-il, elle s'élève à moins de 2000 milliards aujourd'hui contre 16 milliards de francs CFA en 2010. Face à cette situation qui s'avère délicate, les nouvelles autorités du Niger, le gouvernement envisage deux solutions. La première est la loi des finances rectificative qui est en gestation pour intégrer les nouveaux besoins et préparer la loi des finances 2024 selon lui. La deuxième solution est le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, qui est un programme qui va intégrer tous les besoins des Nigériens pour sortir de cette situation en tenant compte de l'embargo. Toujours au cours de son point de presse, le Premier ministre a annoncé que son gouvernement poursuit les discussions avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin que toutes les sanctions infligées au Niger soient levées le plus vite possible. Enfin, l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, Mohamed, son Excellence Mohamed Sani Ousmane, a été reçu hier en audience par le ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération. Le diplomate nigérian a d'aborder certaines pratiques et décisions mises en œuvre qui pourraient mettre à mal les relations diplomatiques entre le Niger et le Nigeria. Il a demandé à ce que ces ajustements cessent afin de préserver l'exemplarité des relations bilatérales entre les deux pays. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nefissa et bonne journée. Chers auditeurs, euh, comme annoncé ce matin, nous recevons en compagnie euh, Abdul Kader, shérif, Il est le directeur de l'entreprise Kawari Studio, spécialisée dans le domaine de la production audiovisuelle. Abdul Kader, bonjour. Bonjour, monsieur Seno. Bonjour, Abdul Kader. Vous êtes euh, également animateur 2D et illustrateur en images. Donc avec vous ce matin, nous parlerons de l'animation 2D comme l'a dit Seno. Oui, Fanta, mais avant de plonger dans le vif du sujet, nous allons faire un premier tour en musique avec euh, Soul Konko, hein, qui nous chante ici Wakar Yar Rubji. Voilà. Très difficile à prononcer. Bakin kasuwa na kyauta ka kaina na gode da alheri uban lawali sule ya gode da alheri uban lawali baban abu baɗai yaro ka ni na gode Allah ya saka kyauta. Yayawar namu ɗan Dalan ƙasa ma a shi a gaishe ka Ina Mustapha a shi gaishe ɗan bangaro. Lawai karce a shi gaishe ka ɗan bangaro. A abin yana mutai nasarai. Thank <laughs> you. chers auditeurs, un Eribji du fait les Konko, nous pouvons dire de lui qu'il fut un véritable ambassadeur de la diversité musicale et de l'authenticité culturelle du Niger. De son vivant, il a poursuivi une carrière artistique exceptionnelle qui a laissé une empreinte indélébile. La carrière artistique de les Konko était une odyssée créative qui a touché le cœur et l'âme de nombreuses personnes. Son art de musique était un témoignage de son talent immense et de son dévouement à l'expression artistique et il restera à jamais dans nos mémoires comme l'un des artistes les plus remarquables de son temps, dont l'influence continue de s'étendre bien au-delà de sa vie. Et bien évidemment, euh, l'art de Souley Konko n'était pas seulement esthétiquement captivant, il était également porteur de messages importants dans sa musique. Malheureusement, la vie de Soul Konko a été tragiquement interrompue prématurément, laissant euh, le monde de l'art en deuil. Cependant, son héritage artistique perdu inspirant euh, les générations futures d'assister, d'artistes à repousser les limites euh, de la créativité et à utiliser euh, leur art comme un moyen d'épanouissement et de changement positif. Chers auditeurs, voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire de ce concours.

Voilà, chers auditeurs, euh, en espérant que cette belle chanson vous a plu. À présent, il est temps de nous entretenir avec euh, notre invité du jour. Il s'agit de Abdulkader Sherif. Alors, Abdulkader, rebonjour. Oui, rebonjour. Euh, Ça va bien Ça va, alhamdoulilah. Tu as aimé la musique de Soul Concours Ah oui, ah oui, ah oui, Soul Concours. voilà, j'ai vraiment aimé. <laughs> Super. Ah Alors, première question. Abdelkader, uh-huh. pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a inspiré à devenir animateur DD et illustrateur euh, donc, euh, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'être mm-hmm. euh, sur ce plateau. C'est un honneur pour moi de m'exprimer donc sur Klangu Studio. Mm-hmm. donc, ce qui m'a inspiré à devenir animateur DD, il faut d'abord le noter dans un premier temps, ce c'était pas ma passion initiale si je peux rappeler ainsi. Ma passion, c'était de devenir un auteur de bande dessinée. Parce qu'un auteur de bande dessinée est différent d'un animateur 2D. Voilà. Donc, euh, c'est avec le temps et l'avènement de la nouvelle technologie mhm. qui a basculé, si on peut le dire, ma passion. Donc, euh, de vouloir devenir euh, un BDiste, parce qu'un auteur de bande dessinée s'appelle un BDiste, mhm. de vouloir devenir BDiste à animateur 2D. Et donc, à l'heure où je vous parle actuellement, je peux euh, dire que je porte ces deux casquettes-là parce que j'ai à mon actif une bande dessinée mhm. qui, bon, pour le moment, n'est pas euh, encore publiée. Mhm. Et donc, je suis encore animateur. Donc, je, porte encore ces deux casquettes-là. Voilà, donc euh, ce qui m'a inspiré, honnêtement, je peux dire que c'est vraiment avec l'avènement de la nouvelle technologie. Mhm. Et cette nouvelle technologie favorise, si je peux le dire, cet art qui est celui de l'animation 2D. Mais l'animation 2D, elle est aussi différente de l'animation 3D. Oui, oui, exactement. L'animation 2D, elle est différente de l'animation 3D. Euh, mais avant de vous dire la différence, il faut euh, connaître d'abord ce que c'est que l'animation. Mhm. Parce que l'animation, euh, si je peux prendre l'exemple sur l'œil humain, l'œil humain perçoit 24 images par mhm. seconde. Donc, selon une étude scientifique, l'œil mhm. l'œil humain, autant pour moi, peut percevoir 24 images par seconde. Donc, c'est suivant cette logique que quand on dessine, euh, ces 24 images-là et mhm. qu'on fait interposer sur la timeline, timeline c'est-à-dire euh, une disposition où on, on, empile les images, mhm. et qu'on fasse lire cette timeline-là qui part de la gauche vers la droite, mhm. on a l'impression donc euh, du mouvement. Donc on crée l'illusion du mouvement. C'est ce qu'on appelle l'animation donc dans le dessin. Donc l'animation DD, si je peux l'appeler, c'est en fait une animation qui se fait, qui se fait, sur, qui se fait à plat. Voilà, qui se fait à plat, c'est-à-dire sur un repère euh, à, deux axes. Donc, euh, c'est une animation où euh, il n'existe pas la profondeur. Il n'existe pas la profondeur, c'est comme quand vous prenez un bout de papier, vous dessinez, voilà, vous prenez un autre, ainsi de suite. Là, mhm. c'est sur vraiment un plan plat. Mhm. Voilà. Alors que l'animation 3D, on peut rentrer dans les profondeurs. Là, il s'agit d'un repère à, trois axes, mhm. voilà, donc on peut rentrer dans la profondeur, on peut changer, modifier donc euh, selon euh, la perspective, la perspective donc euh, que nous voulons donner. en fait, pour un novice, ça peut juste appeler un dessin animé. Exactement, <laughs> exactement. l'animation 3D, l'animation 2D, communément, on les, on les appelle tous dessins animés. Hein. Voilà, exactement. Alors, pouvez-vous nous parler de certains de vos projets d'animation 2D préférés que vous avez réalisés jusqu'à présent euh, oui, donc euh, comme je vous l'ai dit précédemment, euh, j'ai à mon actif une bande dessinée qui n'est jusque-là pas encore publiée. Mhm. Donc par faute, je, peux dire d'édition, parce que vous savez, il ne suffit pas seulement de produire. Voilà, il faut tout ce qui y a l'aspect distribution qui est après. Mhm. Voilà, tout ce qui est la post-prod, la distribution, voyez, et l'éditeur. Mhm. Voilà, donc actuellement nous discutons avec un éditeur voilà. Il est nigérien euh, Oui, il est nigérien. donc euh, c'est l'édition de l'Aïr. Voilà, c'est l'édition de l'Aïr, de la maison du livre. Actuellement, on est en discussion, donc la bande dessinée va sortir euh, incessamment, Inch'Allah. Donc, en ce qui concerne les projets d'animation, on a notre actif euh, une série, une série de trois épisodes voilà donc c'est euh, un ton humoristique mhm. voilà Alang langue Hausa mhm. voilà en langue Hausa et on a deux projets phares du studio qui sont euh, en cours de réalisation si je peux le dire parce que c'est presque la même chose avec euh, la bande dessinée il il suffit pas seulement de produire et de réaliser il mhm. faut euh, vous assurer qu'après, il y a une distribution qui va être assurée. Voilà, donc euh, c'est vraiment... Bon, pour le nom, je ne je, je, me permettrai pas de dire les noms, pour le, comme ce n'est pas encore officiel. <laughs> Voilà, mais quand on a deux gros projets, en tout cas, de deux courts-métrages, voilà, qu'on est en train de vouloir produire. D'accord, Abdul Kader. Hum, avant de continuer cette euh, discussion, nous allons marquer une pause et écouter la deuxième musique de notre playlist. C'est notre accord pour nous Eh bien, cette fois-ci, on va prendre un featuring entre le groupe MGM Crew et la voix d'or du Niger. Il s'agit bien de Kitari. On écoute, on revient juste après. Kitari. Never Die. Record. your on the nous a c'est la beauté incarnée. Pour ces beaux yeux, je pourrais assassiner. Mais mettre le feu à ma propre maison. Qu'à manquer voiture et tout ce qui s'ensuit. Shawahala. Shawahala. Elle nous enchaîne par sa démarche. D'un seul regard, elle nous a à ses pieds. Juste la toucher et la câliner. D'avoir dans mes bras pour toute la nuit, elle nous a choqué bam bam. Elle nous a choqué bam bam. comme une magicienne, elle seul regarde, elle m'a Quitte ma tête, baby, moi je n'en peux plus, elle m'a menotté. Man, bare bare bare. bari, idan wani yarin ya bare shi bani gari. Ko abani, ita koni ne in bar gari, sai dai in na gini de bani bari. Wani ne kike so ka aiki no, mota da kuɗi ka aiki no. wa, salula ka aiki no, takardun gidan tsohon ma aiki no. lalle na san halin shi amma saki zai san hau mashi yau nan jaros yarinya ta san wane da wane tun bashi yau su shawala amijin da duk kama sai ya sha wahala Le featuring entre le groupe MDM Crew et le jeune artiste La Voix d'Or Kitari du Niger est une véritable pépite musicale qui allie l'authenticité de la musique nigérienne à une nouvelle vague artistique pleine de promesses. Ce partenariat artistique a suscité une grande attente dans le monde de la musique locale et il n'a pas déçu. Et oui, Fantas, ce featuring est également un exemple de la façon dont la musique peut servir de guide pour les personnes qui souvent sont aveuglées par l'amour. Parce que le titre parle bien, évidemment de l'amour. Une fille très dangereuse qui a manipulé la conscience d'un bon nombre de garçons. C'est une collaboration musicale qui restera certainement gravée euh, dans les annales de la musique nigérienne et qui mérite d'être applaudie par tous les amateurs de musique, qu'ils soient au Niger ou ailleurs. bang, bad bad girl. Elle a pris en otage, many many men. Biggie biggie bang, bad bad girl. Son système de jeu est very very bad. Biggie biggie bang, bad bad girl. Elle a pris en otage, many many men. Biggie biggie bang, bad bad girl. Son système de jeu est very very bad. Biggie biggie bang, bad bad girl. Elle a pris en otage. Voilà, chers auditeurs, nous voici de retour en direct dans notre studio après cette parenthèse musicale. Reprenons notre entretien captivant, bien sûr, avec notre invité du jour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il s'agit de Abdelkader Sherif, DG de l'entreprise Kawar Studio, animateur 2D et illustrateur en images. Alors, Abdelkader, quels sont les logiciels euh, que vous utilisez lors de vos créations Ok, donc euh, les logiciels dont nous utilisons, euh, je peux dire que dans un premier temps, il y a Photoshop, qui est l'indispensable logiciel, en tout cas pour toute création graphique. il y a After Effects, il y a et notre logiciel phare que nous utilisons pour les, pour les illustrations et les animations qui s'appelle Clip Studio Paint. Voilà, donc euh, ça tourne autour de ces trois logiciels-là. En tout cas pour nous, parce que bon, il y a plusieurs plusieurs logiciels, mais nous, nous avons choisi vraiment de rester donc, euh, dans cette bulle-là, donc de ces trois logiciels-là. Voilà. Est-ce parce que c'est euh, facile ou bien c'est plus accessible ici au Niger euh, Oui, euh, je pense que c'est plus sur l'accessibilité parce que ces trois logiciels dont je, je vous ai parlé, il s'agit en tout cas de logiciels, nous utilisons deux logiciels payants, mhm. donc Photoshop et After Effects. Donc pour l'autre logiciel qui s'appelle Clip Studio Paint, donc on a un L'âge souci vraiment de disponibilité. Donc, euh, donc on, a, on a opté pour euh, la version euh, donc voilà, communément appelée karaké. Mhm. Parce que souvent, on a, <laughs> on a il faut le dire, hein, en Afrique, vraiment, c'est difficile souvent d'avoir l'accessibilité de ces logiciels-là, donc en version premium. de quoi ou bien de quel artiste vous inspirez Moi, je dirais, est-ce que vous inspirez des mangas Vous êtes otaku oui, oui, oui, oui. Euh, il serait bizarre pour moi de dire que je suis animateur 2 sans, <laughs> sans, dire, sans, dire que je ne suis pas fan du manga. Non, non, je suis vraiment très, très à fond dedans. Mhm. Euh, en tout cas, en termes. Euh, les auteurs qui, ou des disons même réalisateurs qui nous ont inspirés, mhm. moi je dirais il y a deux. Donc il y a un qui s'appelle John Lasseter. John Lasseter, c'est le créateur de Pixar. Je ne sais pas si vous connaissez Pixar. Pixar, donc, euh, c'est une compagnie de production d'animation comme euh, mm. Disney. Ok. voilà, donc euh, c'est un monsieur qui, avait travaillé à Disney, mhm. puis il a été viré, et ensuite il a créé sa propre compagnie qui s'appelle Pixar. Et à la suite, il a, lui qui a été viré de Disney s'est retrouvé encore à faire des partenariats. Donc là, pas en tant que personne, mais en tant que voilà, société. Voilà, donc avec... Et l'autre, il y a Miyazaki. Miyazaki qui est un auteur euh, un auteur-réalisateur d'animation japonaise. Donc euh, voilà, je pense que ces, deux personnages m'ont vraiment inspiré dans ce que je fais. Alors, euh, quels sont les défis auxquels vous êtes souvent confronté en tant qu'animateur 2D et comment les surmontez-vous et donc, euh, le premier défi auquel on est, on est confronté, il s'agit de, de ce sentiment de précarité dont, mm. fait, euh, dont nous montre la société, de mm. précarité de notre secteur. Parce que euh, l'animation Dès, dès qu'on parle de l'animation, dès qu'on parle du dessin. Et en Afrique, on dit qu'on fait du dessin, bon voilà, on ne considère pas ça comme étant un, un métier. Mm. Un métier. Donc, euh, il y a d'abord une contrainte sociale qui s'installe. Mm-hmm. Donc, euh, convaincre même sa propre famille qu'on veut faire de l'animation, mm-hmm. voilà, du dessin, c'est vraiment difficile. Mhm. Difficile pour eux, en fait, de l'accepter. <laughs> Mhm. voilà. Moi, j'ai pu convaincre quelques têtes, bien qu'il y en a jusque-là voilà, <laughs> qui n'ont jusque-là pas accepté, mais quand même, ça va venir. Mhm. Et la deuxième difficulté que nous rencontrons, il s'agit vraiment du, de l'industrialisation qui qui est vraiment absente je dirais même en Afrique, mm. en Afrique surtout en Afrique de l'Ouest. Donc, euh, je l'ai dit précédemment, il ne s'agit pas de produire, mm-hmm. de réaliser. Mm-hmm. Quand il n'y a pas un système d'industrialisation qui est là après de distribution, mm-hmm. euh, on ne peut que produire, réaliser, produire, réaliser. Et un studio a besoin euh, de rentabilité, voilà, pour pouvoir survivre. Donc, vous voyez, c'est vraiment ces deux. Bon, les surmonter, les surmonter, je pense que bon, la passion est là. Je pense que la <laughs> passion, c'est ce qui constitue notre essence hein, pour surmonter. On y croit. Alors, Abdelkader, une, dernière question avant de vous libérer. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes artistes qui souhaitent euh, se lancer dans l'animation 2D ou dans l'illustration Oui, euh, mon, premier conseil, euh, c'est de vraiment s'accrocher à son rêve. Si vraiment ton rêve, c'est de faire de l'animation, mhm. que ce soit de l'animation ou autre chose même, c'est d'abord t'accrocher, ne laisse personne te décourager. Et le deuxième conseil dont je donne aux jeunes, et ne vous attendez pas à ce que quelqu'un, et surtout c'est de de notre euh, ère de technologie où euh, vraiment il est très facile d'apprendre à travers les réseaux sociaux. Quand vous prenez YouTube, YouTube, moi je me dis, moi l'appelle, euh, <laughs> excusez-moi, je l'appelle tonton YouTube parce que YouTube, ça m'a, à travers YouTube, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris vraiment, il y a des tutoriels, il y a tout. donc ces jeunes là qui sont passionnés, qui s'attendent pas à avoir euh, des formations, voilà, cher payé, tout, tout. Mhm. Avec tes 500 francs, tu te connectes sur YouTube, tu peux avoir des tutoriels qui vont t'apprendre beaucoup de choses. Mhm. Et c'est ce que nous, nous avons utilisé, moi et mon équipe, en tout cas, en grande partie, pour nous, pour nous former, en fait. Mhm. Merci beaucoup, Abdelkader. Merci. Et de rien. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, dans la rubrique Santé de ce mardi, nous allons à la découverte du district sanitaire du département d'Arlit dans la région d'Agadez, l'un des plus équipés de tous les Niger et c'est depuis euh, son transfert dans les installations de l'hôpital Kominak à Kokan. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette formation sanitaire, Gungu Mohamed Dantani s'est entretenu avec Dr Hamadou Morouzankou, médecin-chef du district sanitaire. Dokta muna son ku gabatar muna asibitin gundumar Arlit. Departement Arlit muna da dikta takwas zuwa tara cikin gari Arlit muna da kasance uku Kingalen Taslim Akukano muna da sayansi shida akwai a Tamasna bukoki 1 bukoki 2 tare akwai Akokan akwai Bagdad banda su muna da infirmeri Madwell muna da hospital Somayi banda hospital Somayi kuma akwai hospital district Arlit da muna can duk gari mai yanzu mun dawo nan cikin ex hospital komina cikin komin gugaram danel muna da csc goma sha biyu akwai shidda cikin komin gugaram akwai shidda cikin komin da danel kuma akwai kadu sante uku cikin gugaram danel. To wa'ani cututtuka aka fi fuskanta a cikin departement din na Arlit? Rashin lahiya wanda sun kai yawa wajen yara muna samun disinfection respiratoire kamar ciwon gaba ciwon da yana kama huhu akwai zawo zawo da yawa yara suna yi wani bi muna samun palu ka san palu cikin niger shi dai ne babban kiwo wanda yana kawo masala da yawa nan ma muna samun palu da yawa wajen yara akwai rujol bana gwamnati ya yi vaccination cikin duka niger vaccination wannan ya sa bana dai ba mu samu kado rujol da yawa bana saboda vaccination na barma ba mu samu kariya ba wajen manya kiwo muna samu da yawa cikin su ko palu da palu akwai tension hypertension arterial barma muna samu tension da yawa na cikin garin ban da shi cikin gari. arlit muna samu masu diabetes da yawa muna samu masu eh, rashin jini muna sa jini da yawa na cikin gari. balle wanda suna zuwa da daji wannan muna samu masu rashin jini su ne kiwo dai wanda muna samu da yawa cikin arlit ganin wa'annan cututtuka da kuka zana to yaya al'umma ke zuwa wajen neman magani dan suna zuwa ne mu sani suna da yawa suna zuwa kullum muna sa mutane wanda suna zuwa saboda ciwon nan muna ba su magani suna sha akwai examen muna yi musu magani bai kai mutum sai ya ta yi wani a yi magani. to dokta yaya kayan aiki suke a likitar gari ta arlit da sauran csc da cas de sante. alhamdulillah kayan aiki akwai shi abun da gwamnati ya yi du likita an dauka in kayo sante ne csc ne ofitar da sirgini kowa akwai kayan aiki wanda ya kamata a ce yana da shi. vraiment wajen nan dai kajo sante suna da kayan aikin su csc su ma suna da kayan aiki wajen opta da district shi ma alhamdulillah tun yaushe babbar likitar garin arlit ta komo a nan babbar asibitin kwaminak wance optar kwaminak kuma kun da kayan aiki a wurin nan da ya ciki hospital communal muke yanzu ya zama hospital district mun kai wata tara muna cikin hospital communal yanzu babu zancen hospital communal hospital district a litinin mun zo mun tar da kaya masu kyau kaya ne ko hospital a gadez wannan kaya wanda ardu kwai nan hospital a gadez ma da wuya a samu irin su alhamdulillah wajen kaya muna da kaya aiki nan cikin hospital district cikin niger yanzu mu problem mu chirurgie ne bamu da bamu da block operatoire normalement duka hospital district ya kamata a ce suna da kayan aiki na operation to mu na arlit eh, actuellement da ba mu da block operatoire ban da wannan vraiment alhamdulillah muna da kayan aiki masu kyau mun hi duka opito da district na niger mun hi duka kayan aiki block da ne ba mu da block shi ma insha Allah muna nemo mayor antuka ya dauka alkawari yake insha Allah 2024 yana construire block operatoire na cikin opito district deja yi block operatoire can ne an kai shi cikin likta. kare da wuya a ce optal yana nan akokan kun block operator yana nan kare saboda shine muna so nan cikin hospital district a yi block operator kuma sa duk aiki ana yi shi wuri guda To, dokta kun nuna matsalar ku guda ɗaya ce, ita ce eh, wurin yin tiyata. To, idan aka kawo maras lafiya da ke buƙatar tiyata, yaya kuke yi? In dai mun samu ciwo wanda mutum sa mishi operation wanda muna tura shi can optal su basa can suke da block. In shirji ne cesarean wajen mata duka optal su muna tura su. Suna yi shi normal. Duk mala da muna tura can, an tuka suna amsa suna yi mishi aiki. Sai dai abun da ya yi karin su, abun da ya yi su su suna tura can a gadar ko nyamai ko zandaya. Mai abun da bai yi Voilà, c'était le docteur Hamadou Moruzaku médecin euh, chef du district sanitaire d'Arlit, au micro de Gungu Mahman Dantani. Chers auditeurs, avant de continuer, nous allons souffler en musique, euh, cette fois-ci avec euh, le titre piano du groupe Eman Kaya. On écoute. ka sha sirya dan biyano haka ne ya kasu da maso sha sirya biyano ga tutar gabas ta yamma sai dai biyano haka ne ya kasance maso mataka rawa ta gato ke bi kamar hakan zan mu sha biya biyano ya ke bi kamar hakan zan mu taka rawa biyano ke bi kamar hakan zan mu taka rawa ta gato gare ka ta gobe alasassa ne wajen jasta yin taka rawa moi je porte des bouses et c'est sombre les on est tous à l'aise lokaci da yamma kana da shi zo mu she ku shefa mu she ka abarka ina laye ka gaban ka kamata ka sa laye ka ina alban ka gaban ka kamata ka sa alban ka ina tukuni da su saba'in ni ka dar magari ga kura daga mashi kai da mara dar mata mu tun dubu sa kai ka daga ka ashe dumuli jazariya fa mu jazariya jazariya jazariya jazariya jazariya jazariya jazariya jazariya jazariya la fête de bien se passe comme ça Yazeria, Yazeria, Yazeria. La fête de bien, la fête de l'année pour l'année des années. Ça c'est pas chaque année de l'année, ça c'est pas chaque année. Chaque année, quand j'ai cassé de ma cité. Yaro ka zo mu taka rawa dan biyano. Haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa biyano. Kai yaro dan biyano. Haka ne ya kasance mu zo mu sha zariya biyano. haka ne ya kasance mu so mu taka rawa ta gado ya ke buga mana kan zan mu sha sai ya biya ya ke buga mana kan zan mu taka rawa biya ya ke buga mana kan zan mu taka rawa ta gado

Zeria Zeria Zeria Zeria Zeria Cher chers auditeurs, en l'instant, c'était le morceau Bianou chanté par le groupe Eman Kaya, un groupe de jeunes rappeurs nigériens de la région d'Agadez. Dans ce morceau, le groupe Eman Kaya décrit à juste titre comment la fête de Bianou est célébrée chaque année dans la région d'Agadez. Et les différentes, et également les différentes festivités qui caractérisent cette fête, notamment les déguisements vestimentaires et les rythmes musicaux sur lesquels danse la population à longueur de la journée et la nuit. Les différents également partagent de joie, tout dans un climat de cohésion sociale totalement parfaite. Un patrimoine culturel qui mérite d'être sauvegardé et transmis de génération en génération vu son importance. Tout à fait, Fanta. À l'instant, cher auditeur, pour le coup des régions, pour l'écho des régions, ce matin, nous allons faire un tour à Gaïa, dans la région de Dosso. Les femmes de cette ville profitent de la largesse d'une commerçante qui leur octroie euh, des crédits avec euh, un échéancier, voilà, selon euh, leur convenance. En effet, nous cette commerçante est très appréciée par ses clients du fait de sa modestie. Elle est connue sous le pseudonyme de Haja Mariam Mayaji. Belkissa Ahmed nous dresse son portrait. Agaya, ville carrefour du Niger située dans l'extrême sud du pays frontalier du Bénin et du Nigeria, un nom est connu de la quasi-totalité de la gente féminine la moins nantie. C'est celui de Madame Mariama El Haji Abdou, dite Mayaji, commerçante de son état. Si cette dame est populaire, ce n'est pas parce qu'elle figure parmi le logota politique, administratif ou coutumier, mais c'est tout simplement du fait de ses largesses envers les personnes à qui elle octroie des crédits à tour de bras. Son domaine de compétence est la mise à la disposition des articles de son commerce sous forme de crédit avec un échéancier à la convenance du client. Dans son commerce, Haji Amayaji bénéficie du soutien de son mari, un appui de taille pour l'épanouissement de son activité. La quarantaine révolue, cette mère de famille, qui a fait ses premiers pas dans le commerce à Niamey avec la vente des petits articles, huit ans après est devenue aujourd'hui une référence dans la capitale du Dandi réfrigérateur, congélateur, groupe électrogène. Bref, c'est plusieurs articles de ménage qu'elle met à la disposition de sa clientèle, constituée majoritairement des femmes. Madame Mariama El Abdou tire son épingle du jeu dans la vente des articles ménagers avec sa manière propre à elle, celle de fidéliser sa clientèle qui n'est rien d'autre que le paiement des marchandises prise à crédit par tranche en fonction de la volonté et la capacité du client. Na fara kasuwanci tun ma dai ina amarya eh, ina yin an abubuwa na ƙanana na dala biyar biyar dala goma goma da su na fara eh, nike ina sira abuna cikin gida to Allah ubangiji ya sa muka zo mu gaya kuma yanzu da muka zo mu gaya bin zamna ba na ci gaba da yin yan kasuwanci na dai haka nan kaɗan kaɗan ina yi haka nan ina yi haka nan to alhamdulillahi mai gida ya ni eh, goyon baya tunda me yasa ya bani eh, goyon baya da nace mishi ina so in yi kasuwanci shi da kan shi dauki jari ya bani sakwata muke dauko su a to ni fi sabilillahi riba da yanda zaka bani kuɗi hannu da yanda zan baka bashi duk guda ne muna yin ciniki ne da ni da kai haka zaka ka siye to kamar yanzu firigo in ka dauka. wasu suna iya cewa suna dauka. suna da avans ya ce mini hannu za su bada avans sai in ce ka bada abin da Allah ya hore maka in ka zo ka in ka bada sai ka tambaye ni hannu nawa za ka dinga barsuma a wata sai in ce maka ka dibi kanka yanke ma kanka abin da kaga kana iya a nefe Madame Mariama est etre connue a gaya à cause de son commerce avec deux pseudonymes, hajiya mariama Yaji ou Hajia Uku Uku. Elle est très appréciée surtout par sa modestie, témoigne ses clientes. J'ai l'habitude de prendre des frigos avec moquette et rideaux. Donc parfois on donne l'avance, après on paye par mois. Elle n'a pas de problème et elle ne dérange pas les gens. Donc vraiment, elle, jamais rien là. c'est une bonne commerçante parce qu'elle a des bons caractères et elle est patiente. J'ai pris des articles d'une valeur de 800 000 Maintenant, il me reste que deux versements à faire. Elle m'a fait ce que même mes proches n'ont pas pu me faire ça. Je la remercie. Elle est tellement gentille. Hajia Mariama de lancer un appel à l'endroit des femmes nigériennes pour qu'elles s'emploient dans le commerce ou toute autre activité génératrice de revenus pour se trouver une occupation afin d'être autonome. yanzu babu zama yanzu mata ma suna iya in ka samu dala ka yi kokari ka juya ta zama dala biyu kenan in aka yi haka na alhamdulillah kai kana samu kana taimaka ma kanka kana taimaka ma iyalanka shi ma mai gidan kana taimaka mishi amma zan ja hankali yan uwana mata masu mazaje in za su yi kokari su yi da haɗin kan masu gidajensu. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à la page du sport avec euh, Gourouza Hasumi Karimou. Bonjour Gourouza. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors, on ouvre cette page sport avec la fin de la 31e édition du tournoi des grandes vacances de Yantala. Oui, Fanta Dollar FC de Yantala est sacré champion de l'édition de cette année devant Jaguar de Saga sur le score d'un but à zéro. Ces équipes, vous vous rappelez, étaient au départ de cette mhm. compétition lancée le 22 août et a pris fin samedi septembre. Les deux finalistes ont été récompensés. Le président du comité d'organisation du TGV Antala, Amadou Hassan Bello, s'est dit satisfait du déroulement des matchs, de l'engouement que ce tournoi a fait et bien sûr la détection des jeunes talents. Alors, le tirage au sort de la nouvelle formule de l'Interclub a eu lieu au Caire, n'est-ce pas Effectivement, euh, c'est nous, mise en place par la CAF et la FIFA pour rendre euh, attrayant le football africain avec des affiches TP Mazembe à l'espérance de Tunis, quatre fois vainqueur de cette Ligue des champions, dont deux d'affiliés en 2018 et 2019. Enimba, le premier club nigérian à avoir remporté la Ligue des champions en 2004, affrontera le finaliste pardon, de la Ligue des champions 2023, le Vida de Casablanca. L'autre affiche opposera d'une part euh, Simba de la Tanzanie, à Al-Ali euh, d'Égypte, 11 fois vainqueur de cette coupe, euh, de cette Ligue des Champions, et d'autre part, Petro de Luanda ou Mamelodi Sanders de l'Afrique du Sud. Ces quarts de finale, il faut le rappeler, de la première édition de cette Ligue des champions africaines de football démarrant donc le 20 octobre prochain et c'est des matchs aller-retour, puis suivra les demi-finales et la finale est prévue les 5 et 11 novembre 2023. Et toujours sur le continent, le Soudan du Sud s'est qualifié aux Jeux olympiques de Paris 2024. Oui, Fanta, ils ont terminé meilleure équipe du continent à la Coupe du monde de basket qui se joue en ce moment en Asie. Trois pays sont co-organisateurs au fil euh, de cette compétition, Philippines, Japon et l'Indonésie. La compétition a débuté le 25 août et terminera le 10 septembre. Le Soudan du Sud a eu son billet après sa victoire contre l'Angola, un pays du basket. L'Angola, c'est un pays du basket euh, africain, prenant part euh, la, pour la première fois les BRICS Stars ont décroché neck ticket pour les JO réservés à l'Afrique dans ce mondial. La Côte d'Ivoire, le Cap Vert et l'Égypte étaient les autres représentants du continent africain, mais ont été éliminés dès le premier tour. Merci Gourouzan pour toutes ces informations et on vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous allons à présent passer au portrait du jour. Celle que nous allons vous présenter ce matin est née en 94 à Kwaretegui, située dans le deuxième arrondissement communal de Niamey. Oui, elle s'appelle Ramatou Ide. Elle est apprenante au centre du foyer scout de Kwaretegui. Elle a commencé la couture dans ce centre il y a trois mois de cela. Notre reporter Omar Hamma l'a rencontré suivant son portrait. wallahi de dai sakamu goy faye dai ne furi skut ir fura alhamdulillah ir bora igo giddon da nan da alhamdulillah ir lakalai kan ir ga isin masala matakan ir bani gite ir mina ba da isin goy no dir goy goy ka goy tersi abin so alhamdulillah ir sin dumbir bon sa almayar hin ga tayar bon sa di dumbir sa kan ine rim te kulir ga hingata ifo no nin dangoyo wora wallahi di eh, dai kan sin kam goy fone mo ne ka furara abi sugora idu nafa ni goyo kan ni go don don wala alhamdulillah idu nafsa mai ai zar kula no kan da ta yi mas kunin na si ta man kan ai to sen dai fona ran go gudu aran don don yon kun no si gudu don don yon wara kalbanin da lafiya irin man di sen dai kul kan duara kalir jin fona gir ku kubaini ya hanni si tayir se mon mahin at kulin dai salang waf kir har charse isin masala ce yin fono nigite danga woybore furta je se kan da goyi to ayo ke ngo dai tuban kan sin kam go kanum tunu kan bonga din man du goy karan furo kan bu goy gono kun hun kun ma ce cin bon sen udu anafa zam goyi wo mat kul kan da ba da sin tinan man fura nafa din wani nugudu anafa bo ibobo wallahi roka alhamdulillah zan bor bu non kun go furo igo beji moyir fa ya wosi bor kul kam ma iri skutto ma bora ko kiri kan furara zami di kan agon ma igin fune gondu ko kiri irgo sabir ko sirgo gi fondu goy irgo kuluju un dernier tour en musique avec euh, Bila Dagadez, chers auditeurs, on écoute et on revient juste après. thank you sun ta dai wadan sun ta dai wadan zan zatka sun ta dai wadan auditeurs, après cette pause musicale, nous allons passer au loti d'aujourd'hui qui porte sur l'espacement des naissances, n'est-ce pas, nous Oui. Et pour bien espacer et limiter les naissances, le meilleur moyen est d'utiliser les méthodes contraceptives. Écoutons cette discussion entre Hawa Ousmane et Rekia Arimi. Kiji, Maso Kiji, Maso Kiji. Hey! haba i haƙuri i haƙuri haba bebe na i haƙuri mun kusa isa gurin kin ga kanan ki da ke goyi ma ya gaji mamma ma ta gaji kai Allah ke nake ma magana ki gafarce ni mamu ke ke ke zo zo nan waje ina zaki zo nan wurin ikon Allah lalle inda rai an gana shekaru hudu kenan rabona da ke yi hakuri mamu yaran ga nan dai sun ɗauke mini hankali wallahi yaya kike lafiya lau dole su ɗauke miki hankali kin je kin ɗauko yaran mutane don mu biki bar su ba wajen uwayensu ni dai ce uwarsu mamu ke ce uwarsu tubari kalla yi eh, mamu kin ga arziki na ko alhamdulillah tsaya tsaya wai da gaske kike shekarunsu nawa tawar na da shekara biyu na goye na da shekara ɗaya da kuma wannan cikin da ke gani nawa watan shi bakwai. Wayo Allah haka da kike yi kina wahalartar da kanki. Baki san ba abin da ake cewa tsarin iyali ba? Tsarin iyali kuma menene haka? Tsarin iyali zai baki damar sake juyawa da kuma lokacin sa sarari tsakanin aihuwa zai baki damar samun yara a lokacin da kike so. Aha, na gane. To yaya zan yi? Da farko dai, ki je ki shawarci mijinki. In ya yarda, kina iya tahiya asibiti a guji jininki sannan a yi miki wadda ta dace da ke balle ma yanzu akwai wasu ƙungiyoyi da ke yin wannan aikin kuma a ko'ina baka ba da kodala. Hmm. in hun mijina bayar da ba don kin san shi mutum ne mai wuyar sha'ani kuma irin masu cewa ne samun ɗiya da yawa arziki ne. Me arziki to in mijinki bai yarda ba kina iya zuwa ganin ƙungiyoyin nan dai da nake ce miki don su zo su gaya mishi mahimmancin tsarin iyali. Misali, za su ce mishi, shi tsarin iyali ba ya tsaye da haifuwa kwata-kwata ba, sai dai sa mace ta huta kahin ta ɗau wani cikin. Hamsa, daga an kalle ki an san kin gaji, duba kifa yadda kika tsufa. Hmm, gora, ni na san mijina, ciwo kan shi abu ne mai wuya. Gaskiya ki abin da zaki dan mijin ke yarda. Yana iya zamanto miki jagora wajen ɗaukan tsarin da ya dace da ke tunda sai da maganar shi. Kahin nan zan baki ƙarin haske kaɗan tunda akwai abubuwan da ya kamata a yi. Bayan ka samu ɗa ya kamata ka bari bayan shekaru biyu ka ɗauki wani cikin. Baki san ba in kana rirritsa ka kai ga haihuwa hudu wahala za ka sha kuma kin san aiki da hanyoyin tsarin iyali yana da mahimmanci sosai. Wani irin hanyoyi ne ke da kwai? sannan kuma irin mahimmanci ne an ya ku wannan bisa da tsada ko kaɗan nauyin ya ɗori ne akan gwamnatin ƙasar Nijar kenan ba a biyan ko dala in kin je asibitin za su baki ƙarin haske a kan dukkan hanyoyin tsarin iyali akwai kuma wasu hanyoyi kinga da yake muna a cikin afirka ana batun shayar da nono kamar na gargajiya da kuma wasu itace da mata ke amfani da shi duk da ba su da ƙarfi wannan labari da daɗi yake amma wa'annan hanyoyin kwata-kwata ba sa hana haihuwa ko a'a ke minki daga kin da bin hanyar zaki ɗauki ciki ni ma kin ga na ɗau ɗaya daga cikinsu kuma lahiya ta lau aha kwarai kuwa. Zan ci gaba da tambayoyi nawa tunda ina son in gane komi kafin in tunkari mai gida da wannan zancen. Shin wa'annan hanyoyin ba su da illa ga mahaihuwata? Ke bari in haɗi miki tsarin iyali ba shi da wata matsala ga mace a je hankalinki. Gaskiya kawa na gode. Gaskiya kam ki kama hanya don tsarin iyali yana da amfani sosai kamar lafiyar uwa da ɗanta kuma in kuna da yara kaɗan za ku samu damar hutawa kulawa da su yadda ya kamata ke ke dai abin suna da yawa. To, baban Zainab gani gare ka. chers auditeurs, accueillons à présent Soumane China pour la culture linguistique. Bonjour China. Bonjour Fanta, bonjour euh, Seynou. quel est le mot du jour Le mot du jour, c'est donc euh, Comme nous sommes euh, pendant la saison pluvieuse, donc euh, on fait de l'agriculture. Mm. Voilà, donc assalama c'est un nom masculin dérivé du verbe assoler. Il désigne l'action de répartir les différentes cultures sur une même surface agricole qu'on exploite. C'est une pratique qui est faite euh, tout en assurant l'alternance des plantes aux racines différentes et qui permet de fertiliser le sol. Par exemple, on peut semer du mil dans une partie d'un champ et du nibé dans l'autre pour une année. Et l'année suivante, on sème l'une des cultures à la place de l'autre, mhm. c'est-à-dire faire la rotation. Voilà, donc euh, zan Hausa. kalma ce ta faransanci da ke nufin wani tsari na shuka abubuwa daban-daban a cikin gona ɗaya wadda ake noma amma kowane a ɓangaren shi daban misali ana iya shuka hatsi a ɓangare ɗai sannan a shuka wake ko dawa a ɗaya ɓangaren idan wata shekara ta zagayo sai a musanya musu wurare wato idan inda ka shuka hatsi bara sai a shuka wake a nan su kuma hatsi sai a shuka su inda aka shuka waken wata dubara ce da ke sawa ƙasar noma ta yi ƙarfi sosai saboda a rika samun amfanin gona mai yawa kuma mai inganci. Merci infiniment, China. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Si vous avez des mots ou expressions que vous aimeriez comprendre euh, en, anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Kalungu munan zaman radio dileran kare biyar ana samu mu yana birge mu kuma muna sauraron shi ko da lokaci sahe da marece muna sauraron shi sosai mu yana birge mu eh muna karuwa da shi tunda duk abubuwa wan sabuwa na kasar mu zaman zahiya lau duk muna ji duk abun da ya faru a shirye shiryen kalungu muna jin shi yana birge mu yana mu komi muna jin komi abu duk wani a cikin Nijar a Nyame a Zandar a ko ina an yi a gidan radio dileran kalungu muna sauraron shi sahe da marece al'umma yan uwana abun da zan gaya musu zaman lahiya muke so ba ma son tashin hankali ba abun da a hankali a hankali za a kawo zaman lahiya in Allah ya yarda wani abun halin da muke ciki Allah ne ya kawo haka nan kowa ya yi hakuri ya yi hakuri akwai lokacin shi za a ji daɗi ka a tashin hankali kustoci da musulmai mu duka ɗaya ne kowa da addinin shi a zamana lahiya kowa da harakokin shi a yi zaman lahiya abun da zan gaya musu kowa ya yi harakar shi ka a kawo tashin hankali tashin hankali wannan farayen shi ne ya kasance ba a san karshen shi ba a zamna lahiya kowa da Allah ya mu lahiya magabatan mu na busun mulki Allah ya sa mu dace lahiya ka ai tashin hankali kowa abi a sunu sunu abu a Hausa suka ce sunu sunu ba ta hana ta nisa kowa da kowa na Niger kowa da kowa ina gaida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh arawan yakufo suna daino alasan abuba kango indikit nan balle yara ya dinno eh, wake ga kwarai labi zai ga imate eh, jin dafo imete ɲafo baba fo ima dokir wane labo katibi da ma nigero irsha bai da lakaltune ne daga nigero bai bore kan badan kyar kan bara ga doga iri wane labo ka wayo dullo iri koy ma de iri se iri koy min no gini koy iri koy min lakal lakkalkane iri koy ma sujin da gomini fonda fere iri wane labo da islam tare labai kulu wai ah, salamu alaikum eh, sunana dai mamman umaru ana ce mana mamman tsoho kuma don a nan cikin garin da kwaro muna kira dai ga eh, jama'a nijar gaba daya mu yi kokari mu haɗa kanun mu wuri guda mu zamanto tsintsiya madarbin ki daya saboda mu samu mu ta ci gaba mu samu bunƙasar tattalin arziki eh, saboda haka nan kenan jama'a sai a tashi da roƙon Allah da addu'o'i ubangiji Allah ya tsare mana mu Allah shi taimake mu Allah shi bunƙasa mana arzikinmu insha Allah cette édition de votre émission Le Niger sur Kalambu Vous étiez en compagnie de moi-même Fanta Chamsou et Ali Munkaila Ouseni alias Teno 50%. C'était un immense plaisir de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Rendez-vous demain à la même heure avec un autre duo. À la technique, nous avons Abdelkader et Adam Adawaki à l'édition.